Chers amis téléspectateurs qui nous suivent ici au niveau de résidence euh, d'Arosalam, aujourd'hui c'est la journée de clôture euh, des 72 heures de la sixième édition euh, du Baol Film Festival. Une première dans la région de Djurbel, un festival de cinéma euh, organisé par euh, Tierno Bahoum, qui est le principal promoteur, mais aussi accompagné par d'autres jeunes. Euh, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la dernière journée euh, cet festival qui regroupe pas mal de panélistes mais aussi de cinéastes, de jeunes cinéastes aussi. C'est aujourd'hui qu'on ferme la page de, de la sixième édition, d'autant plus que vous voyez derrière moi

amal nañ fi aussi euh, euh, des expositions mais aussi amal des projections de films courts-métrages et de longs-métrages waaye nag delloo njukkal bu baax a baax a Babacar Sam Mahram ni nga xam ne moom moo le parrain de cette euh, sixième édition tey nag ñu di ko boucler fii nga xam ne moom ci résidence Darou Salam. comme niñ koy waxee rek nañu ànd ak yéen dugg won leen li nga xam ne moom xew ci salle bi euh, kon à tout à l'heure représentant des participants de la sixième édition du festival un représentant on a dit voilà un représentant, je ne sais pas, quelqu'un peut venir pour parler au nom. Merci encore une fois à Pôle emploi, M. Tamba. Merci d'être venu. Bonsoir, bonjour, salam alaikum. En fait, nous sommes déjà fait le film festival. c'est la première fois que j'ai vu que euh, bon, c'était juste par curiosité. En plus, euh, l'appui avec Babsek euh, et. Afay ñoom ñoo tax tey ma ñëw fi quoi di trouver tamit initiation bi initiation bien la nice à travers jeunes cinéastes et toog fii on rêve tous de devenir quelque chose pour faire dans le cinéma bon di laal loolu euh, grâce à l'appui de nos mentors ak la euh, formation et ñu war a jox yëpp incha allah lépp dina baax di leen merci beaucoup à tout cas merveilleusement bien dit kaddu yi rafet nice na aussi voilà je remercie encore une fois un de nos partenaires lieu bu ngeen vraiment un lieu trop spécial pour euh, notre très chère terre Paul qui est une résidence Darou Halal voilà une résidence boo xamante amna am suite amna chambre amna piscine dañuy def a aussi service traiteur ak yeneen y a ñu ngi koy def une boulangerie ak yu bëree bëri yoo xamante ni ñu ngi koy def fii ci diwaanu Njaareem te à chaque fois jeunes yi taxaw wala organisation yi taxaw avons waa résidence Darou Salam Halal de leen di gunge bu baax a baax ma bëgg encore une fois les applaudissements merci encore une fois à nos partenaires euh, un partenaire boo xamante nous aussi à chaque fois des bëgg di wane les jeunes di wane aussi ñi nga xamante ni ngi prôné di avancer ku ne xam na ni képp kuy dem visibilité nga bëgg di feeñ moom mu ñuy wane voilà moom madame bien Ndeye Khar la la présidente directeur général de VFTV la télévision de Baol-Baol moom itam ma bëgg ngeen tàcc bu baax a baax merci Yankoba voilà sans plus tarder nous allons inviter ici avec nous monsieur le représentant de la direction de la cinématographie, monsieur Barreau, que j'ai envie d'applaudir très, très, très, très, très, très fort. Merci. Euh, merci de m'avoir donné la parole. nous ngi euh, gërëm ñëpp euh, encore une fois Thierno Bakhoum cette fois-ci pas wax chère Thierno Bakhoum euh, qui, euh, cette excellente initiative euh, qui prouve que les jeunes du Sénégal ont encore des choses à prouver, le cours d'ailleurs tout le temps, mais en tout cas la direction de la cinématographie du ministère de la Culture et du patrimoine historique est très heureuse d'avoir été associée à ce grand rendez-vous du cinéma en milieu du Bawol parce que il est quand même de bon ton qu'on décentralise, mais qu'accompagne aussi logistiquement euh, euh, tous ces jeunes pour que le cinéma aille de l'avant. C'est ça le rôle principal justement euh, de, du ministère de la Culture et du patrimoine historique. Vous avez ici un centre culturel qui se charge justement de traduire euh, cette vision qu'on a en tout cas que les étudiants euh, de la culture. Euh, c'est un espace dédié à ces jeunes qui, sont, qui veulent faire de la ou bien qui veulent faire de la musique. C'est tous les arts qui sont concernés. Et chaque secteur est aussi important que le reste. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et c'est cette, cette démarche que le ministère en tout cas entreprend pour le bien de tous je pas de nom parce que nit ñi nous war a nekk pour nous wax yu waroon bëri di ñaanal yàlla Thierno Bakhoum fu ma bëgg li yegg festival toute son équipe Et le a aussi le gën est pro parce que c'est ça aussi À terme il doit même se départir même de, du soutien véritablement de la de, la tutelle mais pour le moment on accompagne on encourage on félicite yaa Merci beaucoup, Monsieur Baron. Merci encore une fois. Merveilleusement euh, bien dit. Merci. yéen itam depuis que ne xam na ni jot amul mais yen baïsen lep, lépp gëm bi ngeen gëm jeunes yi nga xamante ne pour à chaque fois mieux faire avancer la chose yen ñëw de l'accompagner accompagner def des kilomètres rien que pour leur faire plaisir euh, loolu leur leen remercier encore une fois parce que ce n'était pas évident mënoon ngeen am excuse vraiment mais depuis y a des gens qui ànd ak ñun Je leen remercie remercier bu ma pour ngeen tàccuwaat leen suñu doyen yi bu baax a aussi vraiment saluer la présence des journalistes vraiment vous êtes magnifiques. Pour génnee pour la pour siwee yéen la des applaudissements voilà j'en profite aussi pour euh, saluer aussi vraiment nos partenaires encore une fois Dame Couture depuis fatigue il y a événement mais et man action couture man action couture vraiment c'est une jeune styliste un couturier créateur de la place voilà c'est quelqu'un qu'on il est en train de suivre son volume de chemin et actuellement il est incontournable à Durban, il fait des choses magnifiques gis ngeen xale yu góor yi seen baptême yi jigéen ñi baptême suñu xale yu góor yi ñu ngi ko xale yu góor yi seen baptême yi man ak Chaîne Couture moom moo fi jaar ma koy remercier encore une fois parce que man mooy sama tailleur moom moo ma sponsorisé gisoo booy sama model lañ sàcc nii moo tax ma may sama boss. macha allah kon bravo à vous man ak Chaîne Couture et à euh, groupe 6000K ñoom itam depuis le début ñu ngi ànd ak euh, euh, le Baol Film Festival comme année yëpp ñuy and ak ñun di ñu de ñoom itam mérité nañu vraiment suñu ay euh, remerciements ñu ngi leen remercier bu baax baax remercier aussi toute l'équipe toute l'équipe la team du euh, festival euh, le Film Festival yéen itam ñu ngi leen di remercier Bébé Fa merci d'être di gis le spectaculaire le spectaculaire je dis bien

que son âme repose en paix. C'est nécessaire de le dire partout où j'essaierai. voilà si may le cadre il faudra que je wax ni ni pour que je ñi le ne lépp le gis rek dafa am donc je euh, remercie Ange je remercie la direction de la cinématographie avec ses officiels monsieur Baro Matar voilà les journalistes voilà donc vous êtes tous de de de je pense très bien que le monde de la presse est très bien représenté de nous aussi non panélistes commençant par euh, Sankaré, qui est un autre écrivain universitaire. Et pratiquement, nous émerveillons nous le festival, la 6e édition du festival. Et je pense que nous avons apprécié. C'était très riche, mais par ailleurs aussi de remercier, de féliciter nous avons fait deuxième panel, mais la place des collectivités territoriales dans le secteur de la culture, notamment le cinéma, avec le doyen, voilà, le grand frère, le père Pape Abdoulaye Sek accompagné aussi de Masek, qui devait véritablement être là mais comme nous avons un engagement à xamante dafa accomplir demain lundi avons envoyé notre représenté pour que nous mën monde taxawal ci nous nga puissions ne cérémonie de nous bi le bu ci topp je di remercier ñi nga participé à ce nga la Film Festival ñu sélectionné ces films, nous sommes réalisateurs ou réalisatrices, nga dëkk ci dëkk bi wala nga dëkk ci bitim réew ñu ngi leen di encouragé naan c'était une compétition voilà après tout quoi qu'on il y a des exigences mais aussi il y avait des personnes qui ont été choisies à Londres pour que tamit ñoom ñu mën a saytu véritablement li nga xamante ne mooy film yi nga xamante ne moom lañ sélectionné mu tolloon ci 15 films voilà parmi les 98 si je ne me trompe pas officiellement nga xamante ne fa lañ bloqué woon lii euh, candidature yi donc. Euh, je voudrais remercier les réalisateurs qui sont là présents. Voilà, donc di les par ailleurs mais aussi voudrais remercier et encourager les gens qui sont ñoom commencé ci nga le professeur Pape qui depuis le début j'ai dit du Bawal Film Festival s'est engagé volontairement à nous donner des conseils des suggestions pour que nous puissions améliorer les nga qui ne

pour que le cinéma mën a law et occuper sa place bi nga xamante voilà donc dire remercier waa pour emploi le conseil départemental de la jeunesse régionale de Diourbel en l'occurrence euh, le président Khalid voilà et euh, toutes les personnes les médias qui nous ont qui nous ont accompagnés pour que ñu le Bawal Film Festival mention aussi à la direction de la cinématographie voilà qui a rendu parce que sur l'organisation d'un festival décentralisé les obstacles sont là ils sont réels et palpables voilà donc je pense bien que bu jàllee dinañu rendre compte aussi monsieur Germain Poli qui est notre directeur aussi ñun une recommandation de tenir en compte yenn et donc voilà di remercier ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñu mës a jàppale ci ba ñuy door ñii njëkk ñoo jox sunu ñii njëkk ñoo jox auberge tey ñu ngi fii loolu sant yàlla la monsieur Boye ma disait tamit souvent il ne faut pas chercher le nombre mais chercher la qualité et je pense très bien que qualité dafa raar voilà wax yomb na nag mais jëf moo jafe ba tax na je pense damay rotalee foofu sama kàddu di leen euh, remercier voilà donc mu ngi noonu Merci beaucoup des applaudissements. Merci à M. Pierre

スト登場です。 Trois ans que j'ai en silence. Trois ans. Je fréquentais un certain nombre de gars qui ne pouvaient pas comprendre pourquoi je ne voulais pas me marier avec eux. Certains même pensaient que je j'étais lesbienne. C'est pourquoi je ne voulais pas me marier avec eux. J'ai décidé de me marier croyant que ça m'aidera à vaincre ma Mais non, j'ai plus peur quand mon mari me touche. Je crie comme un enfant quand il me fait l'amour scandale de sécurité au fil des ans. Un jour, j'ai été transportée à l'hôpital après mes tétanismes à cause d'une douleur aiguë. Et après les analyses, le médecin a déclaré que le test le plus important pour mon état de santé ne pouvait pas être effectué car je souffrais de vaginisme. Oui T'as pas de livre Ouais. Euh, des habitants. <laughs> même si j'ai décidé de me relever. Je sais que j'ai perdu quelque chose que je ne retrouverai plus. et du monsieur le ministre. Il a eu la vérité Il m'a dit. Le suspect est déclaré non coupable. D'après nous, il n'y a pas de Que c'est moi qui l'ai cherché, lui. Que c'est moi qui a voulu que se couche avec moi. ya makita abone wa ya te kala bi ni ngay jobe mala jokke ak loxo no se to se ba ni na so Take to me, you need Yahweh abandonó te entera Evita Maia só roda daily Haja não se quer Rati limpo de sabor Cara wale se não sabe Negative de ticlo Tengo mala jefe Não há ninguém pra ver Eu disse, eu disse Ela não ama dona ver Happy na rolê Punak Só pra pugar vai dar Mas eu não rei Me tempo Vai, vai, vai Lá de bem que eu acho Bem que me dá Eu não bem que te cá Bem que te Yeah. téléspectateurs de la VFTV, euh, on est là dans la résidence Khadim rassoul pour célébrer la sixième édition de Baol Film Festival euh, organisé euh, par le directeur Bahoum, c'est le directeur du festival, M. Bahoum. Et à notre côté, nous avons vraiment un invité de marque et nous allons lui passer la, la parole. Il va se présenter, et il va nous parler un peu de, ce qu'il a ressenti quand il est venu, euh, qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à cette sixième édition, l'enjeu et tout, l'impact et même euh, ce qu'il y a à venir, par exemple, comme vision. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors, vous vous présentez euh, Voilà pour français. C'est comme vous voulez. Ok. je suis Mansour Dakar. Mhm.

Euh, waa yeneen yëpp daal ñu ngi nekk Dakar donc du ñu ñëw fekke si euh, festivalu Bawol Film euh, festival bi d'accord alors bi nga ñëwee fii euh, région de Diourbel nga ñëw ci résidence Khadim Rassoul avant cela il paraît que il euh, y a chez Milka ak dalal nañ leen fu baax fu ala dawme bi nga ñëwee nan nga gisee teraanga diourbelloise bi ak aussi euh, organisation wu sixième sixième festival bi naka nga ko gisee ak tamit yow lan nga gis lay impacter peut-être sur l'économie de ce pays ou bien peut-être

surtout avec ministère bi toppatoo wàllu culture wàllu aada wàllu cosaan moo xam ni moom moo leen eh, eh, dimbali jàppale ci benn côté bi gën nañu aussi yeneen partenaires yi nekk ci Sénégal yi xam ne ñoom xam na leen ñu lëkkaloog ak ñoom ak aussi surtout ay jeunes yi xam ne duñuy defar ay film cinéma yi xam ni accepté nañu indi seen film mbokk ci eh, li ma ci gën gis mooy am na jeunes yu bari yoo xam ne participé nañu ci activités yi. aussi ci cérémonie bi ñu ubbi yeneen activité ñuy def ak même tey euh, cérémonie bi ñuy def pour euh, tëj festival bi mooy euh, festival bi dafa intéressé jeunes yi mu di góor ñi mu di ak jigéen ñi ñëpp teew nañu. lu am njëriñ la pour jeunes yi am njëriñ pour jeunes yi parce que tag mu njëkk pour defar festival pour defar film lu jafe la woon parce que film dafa cher woon il fallait wut ay matériels yoo xam ne daaw jóge Sénégal Europe lay jógee. boo defaree film yi pour mu par il mu nga ko fanaan ñu développé ko defar ko film mais actuellement léegi Sénégal bu ci nekk jeune bu ci nekk mën nga defar sa film bopp. ndax même téléphone portable mu nga jëfal film boo xam ni mu ne dugg ci festival yi. donc léegi ci la gën yomb pour defar film ñaareel ba mooy film mun na nekk liggéeyukaay boo xam ne jeunes yi mën nañ ci am euh, lu lu lu leen lu ñuy téye seen kër. parce que mun nga arrivé ci biir Sénégal nga jaay ko mun nga arrivé ci bitim réew aussi nga jaay bi maanaam pour euh, am liggéey façon loo xam ne nit du mën na ci am liggéey li liggéey boo xam ni mën na indi xaalis sa peut rentable li ñu li ñu wa waa Bawol film euh, war def fexe ba seen festival bi nekk rentable waaye nag dana jafe xanaa ñu naan nit ñi ñëw leen seetaan ngeen fay hmm. waaye il faut que ñu arrivé façon boo xam ni du ñu demati tàllal loxo naan ñëw leen dimbali ñu def festival yi ñoom seen bopp hmm. ñu def festival boo xam ne képp ku ci participé daa jigi sa bopp ndax dana am ay retombées financières yo xam dana permettre ñu jox ko ñi ci yëngu ñi ñëw di sétanti euh, jeune yi xam ñoo indi seen film ak aussi ñi koy organiser dal alors kon sank lima ma doon wax ñëw na parce que dafay impacté ci économie dëkk bi ndax boo waxee nekk ñoom léegi jeunes yi mën nañ jouer mën nañ créer seen bopp euh, des vidéos même à travers le téléphone da ngay gis na ben instant kon koku retombé yoy muy am mu di ko yóbbu ci këram kon ça veut dire que kon impacté na ci économie bi aussi mi ngi impacté sur le développement du Sénégal pourquoi parce que da ngay gis ne ñu ngi jaay destination du Sénégal un peu partout alors ce dernier mot. Euh, li ma gis ak moy xëy na war nañu gën euh, yaatal utilisation mi def ci réseaux ressources yoy parce que lu am solo la pour gars destination Diourbel hein pour nit ñi gën xam Diourbel aussi pour destination Sénégal aussi pour jeunes yi nga xam ne def production mun feeñ au niveau national feeñ au niveau national nit ñi mun ko gis mm-hmm. donc lu am solo la

de Baoul Film Festival, Inch'Allah Rabi, Merci. Voilà, nous revoilà sur le plateau pour notre deuxième invité. Et sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Il va se présenter et il va nous parler un peu également de ses, impressions, euh, de ce qu'il a vu à Djourbel et euh, par rapport à la sixième édition du festival à Baoul Film euh, Cinéma. Qu'est-ce qu'il a, par exemple, à, suggérer ou bien peut-être des remarques à faire. Donc tout un tas de choses. Je vais lui laisser vous, échanger avec vous. Bonsoir. Bonsoir madame. Euh, je m'appelle euh, Mohamed El Mounir Baro. Euh, je travaille à la direction de la cinématographie où je m'occupe de tout ce qui est coopération et communication. Je suis venu ici au nom de Michel Germain Colli, le directeur de la cinématographie que je représente pour euh, marquer euh, la présence du ministère de la Culture et du patrimoine historique euh, dans une politique de soutien, d'accompagnement de nos acteurs culturels à l'échelle nationale, aussi bien à Dakar que dans toutes les régions du Sénégal. Voilà. ma présence ici se justifie pour l'organisation de la sixième édition du festival Baoul Film, organisé à, Durbel, dans le cœur du Baoul. Euh, une, euh, un festival qui fait la, promotion du cinéma sénégalais. Et des projets comme cela, des initiatives comme cela, la DCI euh, se fait le plaisir de les accompagner parce que nous estimons que partout où il y a de la valeur, euh, le ministère de la Culture a travaillé à travers la direction de la cinématographie, ce doit devenir euh, d'apporter justement cette valeur ajoutée à, cette, euh, à ces talents. Euh, qui sont un peu partout à travers ce pays. Alors, comme on dit la Teranga du Baol, euh, qu'est-ce que vous avez remarqué une fois à Durbel par rapport à la bouffe, à l'accueil et vraiment cette belle prestation que vous venez de suivre euh, Pour l'accueil, euh, ce n'est pas, une surprise parce qu'on est au Sénégal, partout au Sénégal où on va. Il y a cette teranga sénégalaise qui, qui est magnifiée partout dans le monde. Donc l'accueil a été euh, très chaleureux. Euh, d'ailleurs, je félicite à ce titre euh, notre frère Tcherno mhm. avec toute son équipe qui a quand même essayé de mettre tous les participants dans des conditions, dans de bonnes conditions, on va dire, parce que aussi organiser, c'est pas facile. Mhm. Qui plus est, dans une région où euh, tout n'est pas évident, mhm. il faut se battre. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle euh, la DCI, en tout cas, accompagne des initiatives comme, comme, celle-là, parce que euh, il faut tout faire, il faut. C'est un challenge en fait. Ce que, ce que vient de réaliser là, c'est un, challenge qu'il a, qu'il a relevé, mhm. et ça nous, ça nous rassure quant, à, aux euh, possibilités qui existent ici dans, dans les régions, euh, tous ces jeunes qui gravitent autour du cinéma, euh, qui n'ont besoin que d'un petit appui. Ce n'est pas forcément une question d'argent, généralement. C'est des gens qui ont, qui, ont, qui, ont, de très bons projets. Il faut juste un tout petit peu pour les, pour les propulser. Parce qu'à terme, il faudrait bien que tous ces talents-là, quelque part un peu, se départissent euh, du soutien de, de, de, l'État, de manière à ce que d'autres jeunes également puissent euh, avoir la même, euh, la même aide et le même soutien au niveau du ministère de la Culture. D'accord. Ma dernière question est de savoir est-ce que ce festival est labellisé ou bien si ce n'est pas le cas, est-ce que ça va être labellisé Labellisé, en tout cas ce qui est certain, ce festival aura le soutien constant du ministère de la Culture de la gestion de la cinématographie, j'allais dire. Mm-hmm. Parce que nous avons un fonds euh, qui est au niveau de la DCI, un fonds qui s'appelle le FOPICA, le fonds de promotion à l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Fonds qui justement vient en appui à des initiatives comme, comme, celle-là, mm-hmm. Fonds également qui, qui, participent un peu aussi aux formations de, nos jeunes dans les métiers du cinéma, mm-hmm. Fonds également qui met, euh, qui met en exergue en tout cas toutes les euh, œuvres cinématographiques réalisées euh, par, nos, par nos compatriotes, justement. D'accord. Alors, vos derniers mots ben, mon dernier mot, c'est de juste d'encourager encore une fois euh, Tchernobahoum, d'abord le féliciter, parce que ce n'est pas évident. maintenant, ce que je ferai peut-être comme, comme, comme, suggestion, on va dire, c'est de leur demander de, de mieux structurer le festival. Parce qu'aussi un festival, euh, c'est une affaire de pro aussi. On ne peut pas aussi improviser tout le temps. C'est des choses qu'il faut planifier, qu'il faut euh, anticiper à l'avance. Donc, euh, s'ils arrivent à mieux structurer le, festival véritablement, ben, moi, je n'ai aucun doute. on va encore entendre parler du festival Baol Film partout, au Sénégal. La VFTV vous remercie et vous donne rendez-vous à la 7e édition de Baol Film Festival. Inch'Allah. Me revoilà à mes téléspectateurs euh, pour notre troisième invité à la sixième édition euh, de Baroul Film Festival. Euh, devant moi, nous avons un monsieur vraiment exceptionnel et exemplaire, un monsieur qui fait le poids, qui évolue dans l'emploi des jeunes. Et quand on parle de l'emploi, vraiment, on parle de développement, on parle de quoi On parle de vraiment succès, réussite, tout, tout, tout, tout. Alors, je vais vous laisser vous parler. Il va on un peu expliquer le lien qu'il y a entre euh, Pôle emploi et la cinématographie. Salam alaikum. Alaikum salam. Vous pouvez vous présenter et après vous allez nous dire le lien qu'il y a entre euh, Pôle emploi et la cinématographie. Merci beaucoup, euh, Madame, de nous avoir donné l'occasion quand même de de, parler en tout cas du, Pôle emploi et de ses relations avec mhm. Euh, le domaine de la cinématographie. Mhm. Euh, voilà, donc nous avons été invités à la sixième édition hein, euh, de, de, Film, Festival. organisé par un jeune Djourbelois. Mhm. dynamique, ambitieux et plein d'initiatives. monsieur Cher mhm. euh, Tcherno du moins, qui nous a quand même donné l'occasion de venir euh, participer à cette euh, édition sur la cinématographie. Mm. Donc la relation qu'il y a entre Pôle emploi et ou bien la relation qu'on envisage même avec euh, cette organisation, mm-hmm. c'est d'accompagner les jeunes mm-hmm. cinéastes dans leur formation, dans, leur qualification, mm-hmm. pour qu'ils puissent devenir beaucoup plus professionnels. Parce que c'est de nouveaux métiers qu'il faut, comme je l'ai dit, euh, euh, accompagner, valoriser et, pour permettre quand même à ces jeunes-là d'avoir euh, en tout cas une qualification requise mhm. pour s'exercer dans ce métier-là. Donc aujourd'hui, nous sommes là en tant que Pôle emploi. La fois dernière, je l'ai dit à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette édition. L'occasion m'a été donnée d'expliquer un peu le Pôle emploi mhm. avec ses composantes. nous avons un instrument qui, qui est important pour euh, qui s'occupe de la formation, c'est le 3FPT, mhm. que tout le monde connaît, c'est le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Mais nous avons également l'ANPEJ qui est avec nous. Donc, euh, qui dit ANPEJ dit une structure spécialement dédiée aux jeunes. Mhm. Euh, nous avons également l'ADER qui accompagne surtout les jeunes dans, dans leur financement de projets. Mhm et, tant d'autres structures aujourd'hui qui sont au niveau territorial et qui sont sous la tutelle des pôles emploi. Mhm. Bon, je dis tutelle parce que c'est le pôle emploi qui polarise aujourd'hui pratiquement toutes ces structures. Mhm. Euh, comme vous le savez, c'est une structure qui a été mise en place par le chef de l'État euh, à l'occasion du Conseil national euh, pour l'insertion des jeunes. Mhm. Donc c'est une structure récente, mais dans le souci de territorialisation des politiques publiques, vous allez convenir avec moi qu'aujourd'hui, bon, dans chaque département du Sénégal, vous allez trouver un pôle emploi. Mais il faut que les pôles emploi aujourd'hui puissent euh, sortir de leur, de leur comme on le dit, pour aller trouver des partenaires, travailler dans le sens de, de, permettre aux jeunes quand même euh, qui sont leurs cibles de, pouvoir bénéficier en tout cas d'un appui, que ce soit la formation, que ce soit l'emploi salarié mm-hmm. ou le financement de leur projet. Donc voilà un peu pourquoi nous avons quand même jugé nécessaire d'être là, parce que c'est une tribune que nous est offerte également mhm. pour parler du pôle emploi, faire connaître les jeunes qu'ils ont euh, la possibilité de fréquenter les pôles emploi et de bénéficier de tout ce qu'il y a comme appui au niveau du pôle. Mais spécialement pour cette édition de, la cinématographie, mhm. je pense que nous pouvons faire beaucoup de choses mhm. ensemble parce que c'est des jeunes euh, cinéaste qui, qu'on envisage quand même accompagner dans, ce... Votre dernier mot Juste vous remercier vous remercier de nous avoir offert euh, cette tribune quand même pour faire connaître notre, euh, notre structure. VEF, oui, euh, nous le suivons très bien et c'est une satisfaction. amis téléspectateurs, me revoilà pour la clôture de la sixième festival, Baol Film Festival. Alors, je suis avec le directeur de cette organisation. Il est le promoteur principal. Il représente la cinématographie ici à Djourbel et en plus de cela, il est en train de vendre la destination du Sénégal, M. Tierno Bahoum. Un frère, un lion, mais surtout un visionnaire. Je vais lui laisser la parole. Il va s'adresser à vous et puis il va vous remercier également de passage parce que j'ai vu que ces trois jours ont été vraiment très, très, très, très, très émouvants. Salam alaikum, M. Tierno Bahoum. Madame Baké voilà madame Jean, je m'excuse hein. voilà comme c'est la fatigue donc euh, nous vous remercions déjà de votre présence euh, pour la sixième édition du Baol Film Festival c'est un honneur et un plaisir toujours hein, comme j'ai l'habitude de le dire de d'organiser ces genres d'événements parce qu'avant toute chose c'est notre passion avant d'être notre vocation professionnelle Organiser le Bawal Film Festival à Djurbel est une aubaine pour nous. Donc euh, c'est un projet qui a été très mûri pendant des années. Et pratiquement aujourd'hui, on nous voilà à la sixième édition du Bawal Film Festival qui a pour objectif de vendre la destination de la ville de Djurbel, mais aussi de faire de Djurbel la capitale des jeunes cinéastes du Sénégal. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Bawal Film Festival est le premier festival cinématographique décentralisé du Sénégal sur le plan cinématographique. Donc euh, on aurait bien voulu n'aimer que notre formateur, notre mentor, professeur, le défunt Abdelaziz Boy soit là aujourd'hui avec nous, comme l'avait souhaité le doyen Abdou Farifay qui avait eu l'intention d'assister à la sixième édition du Baouel Film Festival. Mhm. Mais comme Dieu l'a voulu, il a rendu l'âme juste après la Biennale de Dakar de cette année. Que son âme repose en paix. C'est la raison pour laquelle on l'a rendu un vibrant hommage aujourd'hui. Mhm. Mais aussi, nous avons rendu hommage aussi à Babakassam Mahram avec le Fonds d'archives nationales du Sénégal, via Marc Lena qui est le directeur exécutif, mais aussi avec sa fille. Voilà, Madame Diagne était présente voilà, pendant, durant deux jours. Donc l'autre aspect du Bawal Film Festival, c'est d'accompagner, de promouvoir aussi les métiers du cinéma. Parce qu'on a constaté que oui, le cinéma demande au niveau intellectuel, mais pour nous, il faut décentraliser et démocratiser le cinéma pour qu'il ne soit pas quelque chose véritablement de très restreint ou bien de lobbying. C'est la raison pour laquelle à Duruel, nous avons l'ambition de promouvoir les métiers du cinéma, mais aussi de participer voilà, à l'employabilité des jeunes. Parce qu'il est temps que nos autorités puissent prendre conscience des enjeux de l'heure notamment les industries culturelles créatives. avec le cinéma, je penserais bien qu'on peut booster notre développement local, mais aussi notre économie locale, parce que durant ces derniers jours, je penserais bien que vous pouvez bien en témoigner, voilà, il y a des millions qu'on a dépensés dépensé durant, ces, euh, durant ces trois jours, avec euh, des autres qui sont venus un peu partout, que ce soit du pays et à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Je pense à Daniel Akoué. Voilà, donc euh, réalité qui existe au niveau des régions, pratiquement au niveau de la région de Djurbel, qui probablement doit être la capitale des jeunes du Sénégal. Donc je pense que bien, ils ont pris note et ils ont vu l'enjeu et l'importance et l'impact que le Bawal Film Festival a au niveau national, mais au niveau aussi international. Donc nous faisons notre bonhomme de chemin. Bon, par ailleurs, bien les cinéphiles qui étaient présents au Centre culturel régional de Djurbel, sur ce panel-là animé par le président du réseau des festivals du cinéma du Sénégal, dont je suis le secrétaire général, M. Mansour Kébé, qui est déjà là avec nous pendant ces trois jours, ou bien durant ces trois jours, voilà, accompagné de Et là, on me dit, tu seras l'adjoint du chef euh, docteur de Géorgie. Parce que tu vas continuer à donner des cours de photographie, ce que tu as assimilé à la maison des jeunes et de la de Dakar. Et j'ai commencé à faire la même chose que Dassault nous a appris. Et c'est comme ça que j'ai décollé. À la maison des jeunes et de la culture de Dakar, j'avais reçu à peu près une vingtaine de jeunes français qui était belge à naissance. Et comme j'étais là, il y avait le président qui faisait un truc, je lui ai dit, on va aller à la place de l'indépendance, vous allez voir.